le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. Comment intégrer le manioc dans les pratiques agricoles et alimentaires des Nigériens. Le manioc est cultivé pour ses racines qui tubérisent au cours d'un cycle de 6 à plus de 36 mois selon les variétés et le milieu. Il est introduit en majorité par des petites unités de production avec des faibles moyens techniques, surtout pour l'alimentation humaine. Le manioc étant en grande partie cultivé à l'échelle familiale, les statistiques euh, sont peu fiables. On estime euh, cependant que euh, c'est la sixième plante nourrissant l'humanité et la troisième sous les tropiques après le riz et le maïs. La culture se fait surtout en zone forestière en Afrique, mais les méthodes de culture autochtone en savane ou en forêt sont à peu près les mêmes. Le sol reçoit peu de préparation et la multiplication se fait par bouturage. Le manioc peut être associé à d'autres cultures et s'accommode à des terres médiocres. Il procure toujours un rendement, s'adapte aux conditions climatiques sévères. Il est par ailleurs p sensible aux maladies et aux autres attaques des prédateurs. C'est pourquoi la promotion et la valorisation du manioc constituent une grande opportunité pour contribuer à l'atteinte des objectifs de la fin zéro d'ici 2030. Avec nos invités, nous allons voir ou comprendre l'importance de la production du manioc dans un pays pauvre comme le Niger. Nous avons donc le plaisir de recevoir au téléphone Mamar Kabiru, responsable régional de la vulgarisation agricole à la direction régionale de l'agriculture de Maradi. Mamar Kabiru, bonsoir. Bonsoir. Suleiman Ousmane de l'initiative Beau, Bon et Bio I3B. Suleiman Ousmane, bonsoir. Bonsoir. Et Habibou Issa, grand producteur de manioc et promoteur de la ferme agricole The Farmer. Habibou Issa, bonsoir. bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. va commencer avec vous, Habib Issa. Habib Issa, comment êtes-vous arrivé <laughs> dans les activités de production du manioc Merci, Monsieur Mokhtar. Merci au studio Kalangou de nous avoir donné cette occasion, cette opportunité de nous prononcer sur ce que nous faisons, et spécialement à travers la production du manioc. Donc, euh, je suis parvenu à la production du manioc par, euh, je ne sais pas si je vais appeler des amis ou bien des collègues producteurs qui m'ont proposé, vous savez, au Niger, il y a la coopérative des producteurs, de, c'est une coopérative nationale qui regroupe un certain nombre de producteurs à travers le pays. Donc, euh, j'ai été amené sur proposition d'un des membres. Il me dit, ben, avez-vous comme tu, tu, es dans une zone à forte potentialité, pourquoi ne pas essayer de produire du manioc C'est quelle zone Mes champs sont au niveau de, dans le Dalol, le, euh, département de Boboué plus précisément dans la commune de Fabige. Donc, euh, sur proposition de ce monsieur-là, qui est un grand producteur aussi, mais pas forcément de manioc, mais c'est un, agriculteur tout simplement. Donc, euh, eux, l'initiative de la coopérative était partie sur proposition de... Bon, ce sont, des anciens, hein. je, les, je, les appelle même les papis. Bon, vu leur âge, je ne me sentais pas très bien dans le groupe. Je me suis retiré et j'ai lancé, moi, en solo, ma production de manioc. Voilà, euh, de manière. Vous n'êtes pas ingénieur euh, agricole, euh, ingénieur agronome de formation Non, je ne suis, pas, je suis pas agronome. J'aime tout simplement l'agriculture. En fait, moi, je suis, je suis ingénieur financier. Donc, ce que j'ai fait, j'ai travaillé principalement dans la microfinance. Donc, qui dit microfinance, c'est vraiment le financement du monde rural. Et qui dit monde rural, c'est vraiment l'agriculture qui prédomine. Donc, en étant en contact permanent avec les producteurs, j'ai commencé à aimer petit à petit. J'ai connu l'agriculture, j'ai aimé l'agriculture. Donc c'est pourquoi vraiment je me suis intéressé fortement à l'agriculture. Donc euh, je l'aime déjà et puis je... En tout cas, beaucoup de gens pensent que je suis agronome parce que je connais très bien l'agriculture. J'ai fait aussi par la suite des études. Hein, euh, dans, si j'embrasse je, si quelque chose, j'essaie de comprendre Souvent, je voyage beaucoup, on m'invite à des forums, on m'invite à des foires, etc. etc. Donc, j'échange beaucoup avec d'autres agriculteurs d'autres pays. C'est des opportunités de découverte, c'est Vraiment, ça m'a permis encore d'aimer plus ce que j'ai fait. Donc, au début, c'est vrai, comme c'est par passion que je le faisais, je ne me suis pas rendu compte que je suis arrivé à, à ce niveau-là. Donc, les gens, chaque fois, disent Habib, on va te visiter. Donc j'ai compris petit à petit derrière là, c'est vraiment beaucoup de choses que moi je, faisais sans, sans me rendre compte. Oui, oui, donc c'est comme ça que vraiment, bon, maintenant, euh, ce n'est plus le financier. Quelle est la quantité de production annuelle euh, de vos activités agricoles Souvent, je produis sur commande. Et pas souvent, c'est tout le temps même, parce que je produis ce qu'on me demande de produire. Mais le manioc, je l'ai initié moi-même parce que je voudrais vraiment amener les gens. Comme j'ai fait par le passé. Quand j'ai commencé, il y avait des gens qui ne faisaient rien. Mais autour de moi, tout de suite, il y a eu un engouement. Il y a eu beaucoup de producteurs. Mais chacun fait ce qu'il peut. Mais pour le manioc, nous sommes vraiment obligés de, de nous associer, c'est-à-dire de faire des groupements de producteurs, de faire des, des associations, de de, vraiment d'unir nos forces pour produire plus. Parce que comme on parle d'insécurité alimentaire, je suis, moi je suis parvenu à la conclusion que le manioc est une des cultures qui peut nous sauver. Hein, parce que c'est facile à produire, ça demande peu de moyens. Donc il faut que nous, paysans, nous nous organisons. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est un de nos défis. Donc, par notre organisation, on peut arriver à nous nourrir nous-mêmes et puis à proposer le surplus sur le marché. Alors, Habibou Issa, quelles sont les opportunités dont regorge ce secteur euh, de la culture du manioc au Niger ah, Les opportunités sont multiples. Les zones de production sont nombreuses. Par exemple, on prend tout le Dalol, du Dalol Mori, Dalol Mousso, les régions de l'Ouest, les régions du fleuve, euh, les régions de la Komadougou. Et autour de beaucoup de grandes mares, on peut faire la culture du manioc. Donc ça, c'est vraiment, c'est-à-dire l'espace réservé à la culture du manioc est immense pour, le, pour notre pays. Donc chaque paysan peut l'initier et c'est facile à faire. Donc ça, c'est vraiment, on a l'espace qui est là. Et puis, toutes ces régions-là, toutes ces unités de production où cet espace destiné à la production du manioc là-bas, euh, il y a de l'eau. Il y a un peu partout de l'eau. C'est-à-dire, même si l'eau, il n'y a pas de l'eau de surface, parfois la nappe n'est pas profonde. Et il y a même des cas où la, nappe est profonde où on peut puiser l'eau, on peut faire des forages, on peut faire des puits pour vraiment euh, mettre des moyens d'exor conséquents pour, pour, pour, se mettre à la production du manioc. Euh, Abibou, y a-t-il des difficultés liées euh, à la production du manioc au Niger Bon, au Niger, je ne sais pas si je peux répondre pour le Niger en entier, mais les difficultés que moi j'ai rencontrées, Souvent, les gens, j'ai vu que l'État a initié des opérations boutures de manioc. J'ai vu, j'ai. Bon, c'est pas que j'ai critiqué, mais j'ai fait des observations. Pour faire vraiment du, du manioc, il faut d'abord euh, il faut d'abord sélectionner les boutures. Il faut des boutures saines. Ça, c'est important. Donc la variété aussi, elle est très très très importante, la variété de manioc ah. parce que ça dépend des objectifs. il y a plusieurs variétés de boutures. Ah, il y a plusieurs variétés de manioc. Donc euh, selon les variétés, qu'est-ce que c'est-à-dire nous les producteurs, c'est-à-dire c'est pourquoi j'ai parlé d'organisation. Donc la production là, nous on l'a fait pourquoi Qu'est-ce que c'est quoi notre objectif C'est en fonction de ça que nous choisissons nos boutures et des boutures saines. Donc déjà au départ, il faut qu'il y ait sur la chaîne des gens spécialisés dans la production de boutures, si possible, parce que ce n'est pas impossible, on peut le faire. En nous organisant, on peut le faire. Déjà par euh, moi, euh, le, le, forum des, des agriculteurs, parce que le salon là, moi j'ai vendu beaucoup de boutures. C'est-à-dire en, proposant, c'est-à-dire tu, tu, es obligé en voyant ces boutures-là de les aimer. Parce que ce sont des bonnes boutures, bien charnues. Donc, et puis, comme moi je suis un agriculteur, je fais tout pour, que, pour ne pas introduire sur le marché ou bien pour ne pas introduire chez mes autres collègues producteurs des boutures infectées. Donc c'est ça l'importance. Alors que bon, si on prend du tout venant, ce n'est pas du tout bien. Parce que dès que tu prends des boutures infectées, ça va infecter le champ de ton collègue et la maladie va se propager. Euh, Maman Kabiru, que représente la culture de manioc dans la production agricole de la région de Maradi merci pour euh, l'occasion que vous nous donnez de nous prononcer par rapport à la culture de manioc euh, au niveau de la région de Maradi. Permettez-moi d'abord de faire un petit rappel pour dire que l'opération Bouture de Manioc, c'est une opération qui a été initiée depuis 2015 par les plus hautes autorités de notre pays. Et cela pour aboutir à, des objectifs que le programme de l'initiative 3e s'est fixé, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Donc, parlant de la production, depuis cette année 2015, euh, Maradi est resté dans la marche grâce à l'appui des partenaires et de l'État qui, à chaque année, à chaque campagne, finance l'opération bouture de, de manioc. C'est en moyenne une superficie de 400 hectares que nous faisons chaque année grâce à l'appui de l'État et de ses partenaires. Euh, nous avons des zones de concentration de production de ce manioc aussi au niveau de la région. C'est le cas du département de Gazawa, le département de Guidarou, le département de Madarofa, une partie du département de Dakoro, plus précisément la commune de Savamachi et Meara, et la commune de, Dangoulbi. Et pour ce qui est de l'importance du, du manioc, il peut servir d'aliment pour le ménage, c'est aussi un bon fourrage pour les animaux c'est aussi une source de revenus substantiels pour les ménages qui ont la pratique de la culture euh, du, manioc. Et nous avons aussi constaté, quand vous prenez la bande, le département de Gazawa, le manioc fait retenir aussi les jeunes. Au lieu de partir en exode vers nos voisins du sud ou vers le nord, où ils ont l'habitude de partir. Donc avec l'introduction du manioc, euh, ces jeunes-là sont restés chez eux, ils ont fait du manioc, ils ont vendu ça et ça a bien donné pour eux. Donc, euh, quand vous prenez le rendement, ici à moyenne, ce que nous avons pu avoir à travers nos différentes missions d'évaluation, c'est un rendement moins de 15, 16, 15 à 16 tonnes que nous avons à, l'hectare. Donc, quand vous prenez les 400 hectares que nous emblavons chaque année, c'est une moyenne de 6400 tonnes de manioc que nous récoltons soit un équivalent céréalier de 2713 tonnes. Donc, comme a dit mon prédécesseur Habibou, pour la commercialisation ici au niveau de la région, euh, notre plus grand problème, c'est la mévente, parce que c'est presque au même moment que les gens se récoltent. Pour ce qui est de la variété, c'est la variété à cycle court qui est Wataoku, 6 à 8 mois, on récolte. Donc, presque les producteurs récoltent au même moment. Donc, ce qui fait à une abondance du produit sur le marché et ça fait casser les prix. Maman, vous n'avez pas pensé à transformer euh, le manioc euh, euh, là-bas sur place à Maradi Oui, la nécessité s'est imposée parce que à chaque fois qu'on fait le tour, on fait le constat qu'il y a, quand on demande aux producteurs c'est quoi leur problème, ils nous d'abord c'est la commercialisation. Parce que, donc, on a écrit dans nos différents rapports, on a fait relever ça aux partenaires il y a une nécessité maintenant de passer à l'étape de l'encadrement des producteurs à la transformation du manioc. Et on espère bien que, euh, Inch'Allah, ils vont répondre favorablement à, notre requête. Ces producteurs-là seront encadrés à la transformation pour pouvoir mieux valoriser la production et tirer le meilleur profit. Le manioc peut constituer un élément essentiel pour garantir et maintenir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et du bétail. Vous l'avez rappelé, les paysans et autres producteurs sur place à Maradi sont-ils conscients de toute cette importance Oui, je peux dire qu'ils sont vraiment conscients parce qu'à chaque année, quand nous faisons cette opération, il y a vraiment un engouement important autour de, l'opération. Il y a vraiment un engouement. À chaque année, les bénéficiaires ne font augmenter. Parce que c'est une moyenne de 1200 à 1400 bénéficiaires que nous ciblons chaque année pour cette opération au niveau de ces grandes zones de, production du manioc. Ils ont vraiment pris la, conscience que le manioc peut nous sauver, comme a dit Habib Issa c'est-à-dire il peut assurer notre sécurité alimentaire, il peut aussi maintenir nos jeunes sur place au lieu de partir vers des destinations qui maintenant sont vraiment des foyers de tension et d'insécurité. Autant rester chez soi et être occupé pendant un bon moment. C'est-à-dire après la campagne pluviale qui dure 3 à 4 mois, maintenant vous enchaînez avec le manet qui peut vous occuper pendant 6 mois. Et là, ça va vous permettre de gagner et de vous sécuriser vous-même au lieu de partir vers une destination où votre vie serait en danger. Maman Kabiru, comment faire pour accroître le rendement euh, de la culture du manioc euh, sur place à Maradi Donc, pour accroître, c'est ce que nous faisons d'habitude, comme je suis le responsable chargé de la vulgarisation au niveau de la direction régionale. Donc, c'est des conseils que nous donnons, c'est des encadrements que nous faisons. Mais vous savez, comme a dit Abibou, le premier euh, élément à prendre en compte pour la culture du manioc, c'est d'abord les boutures. Il faut savoir la provenance des boutures. Il faut toujours éviter de prendre des boutures par-ci, par-là. Il faut savoir toujours la provenance. Donc, quand vous avez des boutures qui sont saines, maintenant vous faites votre préparation du terrain. Obligatoirement, il faut amener de la matière organique, 30 à 40 tonnes à l'hectare si possible. Et là aussi, quand vous amenez, vous amenez aussi un peu du, RPK, c'est ça que nous appelons du 15-15, 150 à 200 grammes par hectare. Maintenant, vous enfluez le tout, vous faites un petit hertage. Et pour les boutures, il faut aussi les préparer. Vous pouvez les mettre dans une solution de cendre ou bien une solution de fongicide insecticide, c'est-à-dire pour tuer tout insecte ou bien toute maladie qui peut entraver à la bonne reprise des vos cultures. Maintenant, il faut bien évidemment surveiller, parce que c'est ça aussi l'agriculture. Il faut être vigilant, surveiller, faire le tour de temps à autre pour voir s'il n'y a pas d'attaque des insectes ou bien des maladies. Et ce que nous conseillons à nos producteurs, au moment de ces tours-là qu'ils font, quand ils constatent un un insecte ou bien une maladie ou bien une petite Malformation sur les feuilles, là, ils prennent un échantillon, ils amènent auprès de nos services déconcentrés qui sont là, et là, ils seront les, les conseillers pour pouvoir bien profiter de la production des Merci Mohamed Kabiru. Restez en ligne le temps de donner la parole ici à euh, Souleymane Ousmane. Euh, Ousmane, le gouvernement vise à travers l'opération Bouture de Manioc à mobiliser les populations autour de cette culture euh, peu exigeante à nous adaptée à notre écologie, euh, résistante à la sécheresse et qui peut euh, contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Qu'est-ce qui n'a pas euh, finalement marché ici au Niger, Suleiman Ousmane Je vous remercie, Monsieur Habibou. Donc, pour le, cas du manioc, en fait, les opérations qu'a initiées le, le, gouvernement sont réellement d'importance capitale. Parce que, vu les potentialités qu'il existe par rapport à la culture du manioc, qui est une culture, d'abord, il faut le rappeler, qui est résistante au changement climatique, qui est aussi euh, facilement accessible aux petits producteurs, parce que c'est une culture qu'il peut faire soit en parcelle unique ou, euh, comme on appelle ça, en association. Donc ça lui permet quand même d'avoir un certain intérêt. Et l'opération bouture de manioc a, été euh, mitigée parce que Habibou en tant que producteur et monsieur, euh, comment on appelle ça, Mohamed Kabirou de l'ACRA, vous, déjà, euh, vous ont donné déjà des pistes de réponse. L'essentiel dans la culture du manioc, c'est d'abord la variété, c'est aussi la qualité de la bouture. À part la variété, il y a aussi la qualité de la bouture parce que la, la variété va impacter sur la qualité du type de manioc que vous allez avoir. Par exemple, il y a des maniocs qui sont spécifiquement faits pour faire du gari, ou bien pour faire du tapioca, ou bien pour être consommé directement, ou bien pour être séché. Si on vous amène une variété de manioc qui ne concorde pas avec vous, vos mœurs, vous n'allez pas accepter. Même si vous la plantez, elle ne va pas faire long feu. Et la qualité de la bouture, elle va jouer sur la productivité, elle va jouer sur, comment on appelle ça, l'adaptabilité aussi du, du, manioc par rapport au sol. Si on vous amène des boutures qui, à la base, sont déjà infectées par la virose, mais là, vous n'avez aucune chance de réussir. Si on vous amène des variétés, il existe des variétés qui sont résistantes. Donc, à la base, si les autorités ou bien si les partenaires techniques veulent réellement impacter, ils doivent mettre en place ce qu'on appelle des banques, des banques de boutures dans lesquelles ils vont spécifiquement produire des boutures saines qu'ils vont distribuer aux gens. Et des boutures qui sont contrôlées, qui sont certifiées. Parce qu'ici au Niger, nous sommes dans le monde agricole est laissé à lui-même. Il n'y a aucune, eh, comment on appelle ça, certification, il n'y a aucune garantie sur laquelle un producteur est en train de travailler. Cela veut dire que qu'il ne peut pas garantir donc la productivité. Quelqu'un qui en agriculture ne peut pas garantir les intrants la semence, donc les boutures, si on parle d'oignon, il ne peut pas garantir la qualité de la bouture, il ne peut pas garantir la qualité de son engrais, parce que même l'engrais maintenant, il y a des engrais qui sont euh, piratés, ce n'est pas de l'eau, il a, il a été prouvé. S'il ne peut pas garantir cela, comment il va garantir la productivité. C'est impossible. Et selon vous, il faut l'implication, la pleine implication du gouvernement Pleine implication pour mettre en place des dispositifs. L'exemple, c'est comme les manguiers, les mangues. Les mangues, ici au Niger, si vous voulez des manques de qualité, pratiquement, on vous dit, OK, allez-y dans la zone de l'icrisat. Parce que c'est là-bas qu'on a des manques qu'on appelle des mangues certifiées. Il y a aussi des pépinéristes qui actuellement produisent des mangues certifiées, donc des mangues qui sont étiquetées. Si on vous dit que cette variété, c'est telle variété, vous allez la planter à partir de tel nombre d'années, elle va vous produire, voilà, tout est OK. Mais si vous allez sur le petit marché, vous achetez un manguier, vous venez vous le planter, après des années, vous n'avez rien, ça ne peut pas marcher. Il faut forcément une implication réelle des autorités pour d'abord suivre la traçabilité des boutures qu'ils donnent aux gens, mais aussi suivre régulièrement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Parce que ça ne sert à rien de donner les boutures et de ne pas pouvoir concrètement suivre ce qui se passe sur le terrain. Alors, Suleiman Ousmane, comment amener les paysans et producteurs nigériens à intégrer le manioc dans les pratiques agricoles et alimentaires Vous l'avez, rappelé qu'on peut euh, euh, développer la culture du manioc en association. Comment amener euh, les populations, les Nigériens à, l'intégrer Ce que j'ai dit chaque fois à un, à un agriculteur, moi je suis un agriculteur, Habib est un agriculteur. Nous, c'est notre métier. Donc nous le faisons pour accroître notre pouvoir d'achat. Vous comprenez Si les agriculteurs prennent cela comme étant ligne directrice pour accroître, parce que si aujourd'hui, moi, je le fais pour accroître ma, comment on appelle ça euh, euh, mon revenu, je le fais aussi pour pouvoir nourrir les gens. Parce que si aujourd'hui je produis 1000 tonnes, 10 000 tonnes de, de, de, comment on appelle ça, de manioc, je le fais pour amener ma contribution comment on appelle ça, pour résoudre le problème de sécurité au Niger. Les producteurs doivent intégrer que la culture du manioc est une culture qui peut leur permettre réellement d'accroître leur pouvoir d'achat. Pourquoi Parce qu'ils peuvent la faire en association. Aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont compris. Qu'est-ce qu'ils font Ils font des, dans leur parcelle, par exemple du chou, des tomates ou autre chose, ils mettent quelques, quelques pieds de manioc. Et au fil du temps, ils arrivent quand même à pouvoir rentabiliser un peu sur cela. Il y a d'autres qui se sont lancés à 100%, comme on appelle ça, en culture du, du, manioc sur vraiment des très grandes superficies et ils s'en sortent. Aujourd'hui, la production privée, donc les, producteurs, comme on appelle ça, privés, pas dans les, Quand je dis producteurs privés, je parle vraiment des exploitations qui ont des, jardins. Ils essaient vraiment de, de, de, mettre l'accent sur la culture du, du manioc parce que c'est une culture qui est facile, et qui se vend bien. Aujourd'hui, l'intégration de de, du manioc, même dans nos mœurs sociales, elle est en train de se faire. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple du, je ne sais pas comment on peut l'appeler en français, d'anwaki. Avant, c'était du, euh, de la poudre de, haricots. haricots seul. Non, maintenant, c'est devenu poudre de haricots plus poudre de manioc. Donc cela veut dire que les gens sont en train de l'intégrer. La consommation de l'oignon et de, du, manioc. elle est en train de s'intégrer petit à petit dans nos mœurs. On va, nous allons arriver au stade où réellement elle sera peut-être transformée en poudre tout ça. Ça se fait aussi, il y a quelques gens qui arrivent à le faire. Suleiman comment davantage euh, rentabiliser la production et la transformation du manioc au Niger Pour le, cas du, du, manioc, je pense bien que le seul moyen de faire la promotion de l'oignon et de, du manioc, c'est de passer par la transformation. Parce qu'il vous, a, vous a bien dit, à Maradi, ils produisent des tonnes de manioc, mais ils n'arrivent pas à le vendre. Pourquoi le vendre si on peut le transformer Aujourd'hui, vous, vous transformez votre manioc en gari, vous le transformez en tapioca, vous le transformez en, gomme, donc ce qu'on appelle communément gomme, qu'on utilise pour, euh, comment on appelle ça, pour traiter les, les basins. Vous pouvez aussi le transformer en poudre, vous pouvez aussi le transformer. Maintenant, le, le manioc a un intérêt particulier sur le marché international parce que ailleurs, ils, ils sont en train de réfléchir sur comment transformer l'extrait de manioc en sachet biodégradable. C'est faisable. C'est faisable parce que j'avais bien voulu qu'on ait euh, un jeune qui, ici, essaie de lancer une entreprise qui veut faire la promotion donc du sachet biodégradable à, part, à partir de, du manioc. Lui, il transforme le manioc en tapioca, en gari. Il s'appelle AB Manioc. Il transforme le gari. Ici au Niger. Ici au Niger, il le transforme en gari, en tapioca. Et après l'extrait là, il essaie de le transformer en sachet biodégradable. Et actuellement, sur le marché international, il y a la demande. Donc, pour que le manioc puisse prendre de la valeur, il faut qu'on arrive à le transformer. C'est vraiment la seule issue. Si l'État ou les partenaires peuvent mettre en place des systèmes, même si c'est des systèmes délocalisés ou bien à l'échelle régionale, où un producteur peut prendre toute sa production et l'amener pour qu'on transforme, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel. Mohamed Kabirou, au même titre que les autres cultures, il est possible d'améliorer la productivité des parcelles du manioc. Comment identifier la meilleure bouture Voilà, merci. Donc avant de répondre à, votre question, je voudrais ajouter ceci. L'État, je voudrais dire que l'État s'est investi pleinement dans l'opération bouture de manioc depuis 2015 et jusque-là, ça continue quand vous prenez ici le cas de la région de Maradi, nous avons deux programmes, un projet qui est le PASEC et un programme euh, PRODAF, le programme de développement de l'agriculture familiale, qui depuis 2015 finance chaque année l'opération bouture de manœuvre au niveau de, de la région de Maradi. Ce que peut-être j'allais ajouter, c'est de dire que c'est de relancer, voir dans quelle mesure l'État peut relancer au niveau de l'Institut de recherche la production des boutures de manioc et pour garantir la qualité de ce que nous allons planter et enfin ce que nous allons récolter. Donc, pour revenir à votre question, comment améliorer la productivité de la bouture de manioc euh, Là, je peux dire que d'abord, il faut veiller à la qualité de la bouture que vous allez prendre et mettre en place. Et aussi, c'est la surveillance. Parce que quand on dit que le manioc est une culture qui supporte le stress hydrique qui est peu exigeante, c'est ce qui fait que les gens ont tendance à juste mettre les boutures en place et les laisser. Ils vont attendre 4 à 5, 6 mois maintenant pour venir récolter. Ça ne passe pas comme ça. Donc il y a le minimum à faire, même si le manioc supporte le stress hydrique et est peu exigeant. Donc il y a un minimum à faire. D'abord, il faut toujours chercher à amener de la matière organique. C'est vraiment important. Quand vous amenez ça, maintenant, il faut aussi faire le petit apport du 15-15 et continuer la, surveillance, la surveillance. Et vous, allez, vous avez encore plusieurs méthodes de, faire le, la plantation du moyen. Ici, généralement, les gens se le font à plat. On peut le faire aussi en bio. Mais là, en bio, c'est surtout les professionnels qui le font mais généralement pour le producteur, ils le font, ils le font à plat et des fois c'est sans apport. Ils mettent ça juste sur le terrain et ils laissent ça. Donc moi, ce que je veux conseiller, c'est de faire l'effort de, de faire cet apport de la matière organique et de la matière minérale. Maintenant, vous pouvez suivre avec la surveillance pour éviter toute attaque de maladies ou bien des, insectes. Euh, merci Maman Kabirou. Restez en ligne, il temps de donner la parole à Habibou, Habibou Issa. Habibou Issa, avez-vous d'autres objectifs à travers la production, la transformation et la commercialisation du manioc au Niger euh, Merci encore. La parole est revenue. <laughs> Merci. Euh, mon objectif principal à travers la production du manioc, c'est vraiment de contribuer à la sécurité alimentaire au Niger. Donc, euh, je me suis engagé en tant que producteur à contribuer. Déjà par le passé, moi j'ai initié hein. pour dire que c'est vrai, on ne peut pas tout faire. Moi, il y a une année où je me suis dit que mais pourquoi ne pas uniquement produire ce que toi tu consommes Donc j'ai essayé, je produis moi-même mon riz, je produis euh, mon mil, je produis mon maïs, je produis mes légumes. Donc je me suis dit que mais ça là, si c'est si on a agrandi ça, si on agrandit ça aux autres producteurs, ou bien on fait des producteurs spécialisés, les producteurs de riz produisent du riz, c'est vraiment d'amener, c'est-à-dire on est dans un contexte d'insécurité alimentaire. Donc c'est à nous, nous producteurs, la charge nous revient de nourrir tous les autres. Dieu merci au Niger, malheureusement, nous sommes à 80% en dit de ruraux, mais malheureusement on n'arrive pas à nous nourrir nous-mêmes en plus, à plus forte raison, de nourrir les autres. C'est pas que. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a le manioc, il y a les autres cultures vivrières qu'on peut faire. C'est-à-dire, c'est de professionnaliser les gens. C'est de mettre en place, ou de, disons, de, l'État doit créer des conditions dans des zones où c'est favorable de produire telle ou telle culture. Parce que on sait qu'il y a ça. Dans les régions du fleuve, on peut produire du riz. Dans beaucoup de régions du Niger, on peut produire le manioc, on peut produire d'autres céréales. C'est comme ça que les choses doivent être organisées. Vraiment, mon objectif, c'est de contribuer pleinement pour qu'il y ait une fin zéro au Niger. Bon, je suis dans le combat, mais euh, bon, je suis loin de satisfaire <laughs> cette demande-là à moi seul. Et je connais beaucoup de gens aussi qui sont engagés. Et ce n'est pas bon. Alors, alors, dans ce combat, est-ce que vous avez le soutien de l'État ou bien euh, des partenaires euh? Oui, on a, on a le soutien de l'État, souvent, parce que plusieurs fois, ils nous invitent à, des questions liées à ce que nous faisons. C'est des partenaires aussi, quand, dans notre zone d'intervention, il y a beaucoup de partenaires. Dès que les partenaires viennent dire, ah, il y a un tel qui est là. Le fait seulement, même que vous êtes une référence, c'est bon ça veut dire que ce que vous faites vraiment compte beaucoup aux yeux des autres. Donc c'est pourquoi vraiment nous encourageons les gens à s'intéresser à l'agriculture d'abord et maintenant à se spécialiser, à se professionnaliser. Moi, si j'ai pris le manioc, c'est parce que je sais que si je, si je me décide de, si je décide de produire que du manioc, je peux m'en sortir. Parce que je sais quelle voie suivre pour m'en sortir. Tout à l'heure, vous avez parlé de comment rendre le manioc euh, bon, rendre rentable, productif. Le manioc, comme l'a dit le directeur, le responsable général de la vulgarisation à Maradi, là, donc voyez-vous, il y a les paysans qui viennent planter seulement et puis ils quittent. C'est seulement pour revenir au moment de la récolte. Mais ce n'est pas comme ça. Notre agriculture doit changer de visage. Aujourd'hui, nous devrions aller vers vraiment la modernisation. Si je dis modernisation, c'est-à-dire la professionnalisation. Comment rendre très productif le manioc mais il faut aussi irriguer le manioc. Il y, a des techniques. Il y a des techniques. Si vous semez là, il faut l'entretenir. Et vous, faites allusion au cerclage. Cerclage, le manioc n'est pas trop exigeant. Maximum deux cerclages, c'est suffisant parce que le manioc est une, euh, c'est une culture qui monte. Elle n'a pas besoin, c'est-à-dire à un certain niveau, les mauvaises herbes ne pourront rien contre. Mais il faut quand même entretenir. Euh, pour encore rentabiliser, Suleiman a parlé des cultures en associé. Euh, pour, pour aussi la, le rendement de ces cultures en associé, il faut toujours cercler. Donc, voyez-vous, et pour avoir de meilleurs résultats pour le manioc, il faut surtout l'irriguer. Parce qu'en irriguant, on peut doubler, tripler ou même quadrupler le rendement. C'est ce que les gens ne savent pas. Parce que si vous irriguez le manioc, en ce moment-là, il va se développer et puis les boutures vont mieux se développer. C'est ça vraiment un des secrets hein, pour réussir le manioc. Il faut l'irriguer. Et c'est pas, il n'est pas trop exigeant. Quand on dit il n'est pas trop exigeant, c'est-à-dire que bon, il se contente du peu qu'il a, du, juste la pluviométrie à partir de 400 mm de pluie, on peut produire du manioc. Mais à 1000 mm à plus aussi, on peut produire du manioc. Donc ça veut dire que si le manioc a un apport à nous, c'est très intéressant. Moi, quand les Camerounais viennent me dire, un Ivoirien vient me dire, ton manioc là, si tu peux donner comme ça chez toi, ça veut dire que ça peut donner mieux chez moi. Il dit non, c'est pas évident. Moi, j'entretiens. Je ne savait pas tout ce que j'ai fait. Quel apport j'ai fait pour ce manioc-là. Et je remercie au passage le responsable régional, M. Maman kabiru Il a parlé de l'apport. De l'apport qu'on doit faire. C'est-à-dire l'abord Bon, nous, nous sommes des militants de, la, de, de des apports non chimiques. L'apport, oui, bio si possible. Bon, c'est vrai, hein. je suis arrivé à ce niveau-là parce que je sais qu'on peut. Moi, je produis moi-même mon fumier sur place. Donc, quelqu'un qui n'a pas une vache ou bien des chèvres, euh, qui n'a pas un troupeau, on ne peut pas lui exiger. Il a parlé de 40 tonnes au moins. Euh, moi, je peux apporter plus de 40 tonnes à l'hectare. Donc, je peux me le permettre sans autre produit chimique. Mais l'apport organique est très, très, très, très important. Et vraiment, il y a des techniques pour composter, il faut que les paysans apprennent. C'est-à-dire, on doit, chaque paysan doit aller de, du minimum qu'il peut. C'est comme ça que chacun peut contribuer. Ce n'est pas, ça ne doit pas être laissé à, quelques individus. Oui, quelques individus ne peuvent pas, à moins que l'État ne s'en charge, ou bien que, euh, c'est-à-dire à, un certain degré vraiment pour aider les gens, pour aider des zones à mieux se développer dans tel ou tel secteur agricole. Suleiman Ousmane, euh, comment la filière de la production du manioc peut-elle contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger Effectivement, la, filière du manioc, si elle arrive à mettre en place un système de production intensif, si on peut le dire, réellement, parce que moi, pour moi, je pense que ici au Niger, c'est un frein pour chaque agriculteur de penser que le la, ma production, je veux juste nourrir ma propre famille. Ça, c'est un frein pour le développement. Il faut penser à nourrir tout le monde. Et en ce moment, nous pouvons tous produire plus. Et faire, et le, mot d'ordre que je répète toujours, l'agriculture est un métier. L'agriculture n'est pas un fardeau. Les gens, s'ils prennent l'agriculture comme un métier, ils vont prendre ça au sérieux. ils vont produire. Pour que je, reviens au manioc, pour que le manioc puisse être intégré dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, il faudrait qu'on le transforme. Sur place ici au Niger. Sur place ici au Niger. Nous portons acheter des tonnes des tonnes de gari. Aujourd'hui, si vous partez dans les villages, mais c'est l'aliment favori. Parce que c'est quelque chose que vous pouvez conserver. Aujourd'hui, moi, si je voyage, même à l'étranger, j'achète du gari, je pars avec. Mais pourtant, le gari, là, n'est pas produit au Niger. Aujourd'hui, quelle famille ne consomme pas de gari au Niger Dans les ménages, dans les villages. C'est un aliment qui il est facilement utilisable, il est très simple, il n'a pas besoin de cuisson et il s'adapte à toutes les sauces. Sucré, salé, il passe. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, donc cela veut dire que si nous arrivons à transformer, nous aussi, notre propre manioc, le manioc made in Niger, cela veut dire qu'il eh, n'y aura plus de problème la production de mille est là pour soutenir, les autres cultures vivrières sont là, et puis ça va passer. Aujourd'hui, un producteur, même s'il ne fait pas beaucoup de bottes de mille, s'il sait qu'il a 100 sacs de gari déposés, mais l'affaire, l'affaire marche, parce que lui, l'essentiel, c'est que le ventre vraiment soit plein et le gari te permet d'avoir un ventre réellement euh, chargé. Hein. Ça, c'est, <laughs> je tiens à le rappeler. Maman Kabirou, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure promotion de la production et de la transformation du manioc ici au Niger Donc, comme conseil ou bien comme recommandation, ce que je peux dire d'abord, c'est que les producteurs doivent vraiment s'y mettre. Parce que quand on dit sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est une affaire de tous. Il faut que nous, tous ensemble, gérions nous travaillons pour pouvoir assurer notre propre sécurité alimentaire. maintenant, quand on prend le cas spécifique de la bouture de manioc, euh, je peux dire que de respecter d'abord les itinéraires techniques, parce qu'il y a des itinéraires techniques de production de manioc. Bon, généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, ils en font qu'à eux-mêmes. Comme on dit, elle n'est pas évidente, ils mettent, ils partent, et après trois ou quatre mois, ils reviennent pour récolter. Donc il faut veiller au respect euh, des itinéraires techniques de production. Et pour ce respect-là, nous, toujours ce qu'on conseille, c'est que les producteurs, il y a les services de concentrés qui sont là, à côté, dans l'économie. Donc c'est de passer à côté de demander conseil. Qu'est-ce que je peux faire Voilà mon manette, il est là, il est attaqué. Bien, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire pour un peu améliorer ça Habib euh, rapidement, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure promotion euh, de la production et de la transformation euh, du manioc au Niger Merci encore. mon premier conseil, c'est surtout d'aider les producteurs à s'organiser. Ça, c'est vraiment, ça, c'est primordial c'est-à-dire il faut s'organiser pour installer une vraie filière du manioc au Niger. Ça, je peux dire même que si c'est fait, parce que une fois les producteurs organisés, au niveau de chaque, chaque zone de production, je pense que le pari est déjà gagné. Parce qu'en organisant les producteurs, ils peuvent aller loin. Ils vont d'abord se prendre en charge. Donc, côté alimentation, on sait que tous ces producteurs organisés là, ils peuvent se prendre totalement en charge et contribuer aussi à lutter contre l'insécurité alimentaire au niveau national. Parce que le manioc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit sur le manioc. le manioc, on peut le transformer. Le manioc, aujourd'hui, il peut remplacer le blé. On peut faire le pain de manioc. On peut faire le pain de manioc, ça se fait ailleurs. Et ça, c'est en nous organisant seulement qu'on peut le faire. Moi, quelle que soit la quantité de manioc que je peux, il y a des choses que il des volets que je ne peux pas attaquer. On peut faire le bilan. Par manque de moyens Pas par manque de moyens, parce que ma production à moi seule ne suffit pas. Même si je fais 20 hectares de manioc. Parce qu'il faut des grandes quantités. Donc il faut nécessairement une organisation de producteurs pour le faire. Et si nous sommes organisés, les conseils, comme il a dit, euh, des services déconcentrés de l'État, nous, notre connaissance qu'on va mettre pour produire, pour assurer une meilleure productivité de cet aliment-là, vont faire en sorte que y aura, le manioc sera produit en quantité. On ne va plus parler de mes ventes parce que euh, le manioc intéresse aussi le marché international. Mais ce n'est pas le marché international qui nous intéresse dans ce cas-là. Il, il s'agit de nous prendre en charge question alimentaire. C'est une question de survie alimentaire. Donc, ce que nous produisons doit être consommé d'abord localement. C'est ça booster l'économie nationale. Parce que si on produit pour l'extérieur, c'est qu'on ne contribue pas au développement national. Les objectifs du développement durable visent à mettre un terme à la faim et à la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030 en faisant en sorte que toutes les personnes, notamment les enfants et les plus vulnérables, aient accès à une alimentation suffisante en quantité et en qualité tout au long de l'année. C'est pourquoi la promotion de la culture du manioc doit être une réalité au Niger. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Mahamana Kabiru, qui est le responsable régional de la vulgarisation agricole à la direction régionale de l'agriculture de Maradi. Suleiman Ousmane de l'initiative Beau, Bon et Bio I3B et Habibou Issa, grand producteur de manioc et promoteur de la ferme agricole The Farmer. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assuré par Issa Lawali et côté vidéo Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.